voilà noo tudd soxna si. madame Ndour Solange waaw Solange tey da nga ñëwoon fii ci grotte bi. waa dama ñëwoon pour accueillir ñaan ma Marie. waaw moom xam nga dafa ne loolu lañ sama doom jaar leen si man. donc dañu ñëw confier ko suñu vie la vie de nos enfants de nos ak Sénégal meilleur. Hmm. moo taxoon ñu ñëw fii sukk ñaan ko. looy wax pèlerinage bi nag looy ñaan pèlerins yi tamit. ah man c'est très bien organisé tey am nga am nga tey messe bi ñu jógee 10 heures am nga toute la journée le programme est établi am nañ tam messe suba donc ku nekk mun nga tànn ban journée ngay dem pour prière c'est vraiment un week-end de prière yaay tànn di la arrangé et les pèlerins sont bien organisés engagés am na mag am na xale am na ndaw les gens viennent en famille te loolu rek dafa neex. ci en français aujourd'hui Solange Balambou vous êtes venu ici vous recueillir. Tout à fait. Se recueillir au pied, au pied de la Vierge Marie, qui est la maman de consolatrice. Elle dit tout ce que vous voulez, euh, passez par moi, vous l'aurez. Donc on vient prier pour d'abord la santé, la paix dans notre pays, euh, la paix et la, joie des familles. On est une, un Sénégal unique aujourd'hui. On voit toujours que la grotte, euh, vraiment, les gens viennent. Hein. Les gens viennent à tout moment. Euh, la foi qu'on a en Vierge Marie, ça, je pense que toutes les religions sont unanimes, là-dessus. On, voit que les gens viennent euh, avec les signes de respect et c'est vraiment beau, c'est vraiment beau et ça renforce la foi.